qu'on va se contenter du mauvais. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc on doit aller vers la perfection, vers, vers le bien. Donc euh, moi je crois que ce n'est pas pertinent. Mm. Autant de chargés de mission, surtout jeunes, calqués sur le nombre de départements, mm. je crois que l'OLU c'est politicien, c'est même pas politique. Mm. Et on le déplore. Vraiment on le déplore. Mm-hmm. On ne le comprend pas. Je qui Moustapha, euh, chargé de mission euh, des jeunes euh, au moment où l'on nous parle d'un état en ruine ak sénégalais yi fu que toll nii serrer la ceinture mais gis euh, nous 46 jeunes yo xamné euh, calqué ko comme que lu ko xey département logique pour logique aussi est-ce que cette rupture bi nga xamné beaucoup de sénégalais ñu ngi koy xaar à chaque fois aussi ñu koy wax tay ji mun nañ là on peut vraiment parler de rupture vous bo une rupture nga bëgg ko résumer foofu rek mën na poser problème. Mm. parce que yaa ngi wax rupture mais bu le yu Cheikh Ousmane waxee gagné 300 euh, dugal 46 wala bu ñu 300 dugal 100 sax mën na ne euh, am na changement bu am. Mm. waaye foofu débat bi nekk fa. fi débat bi nekk mooy bu dee responsable wala coordonnateur bu GPS yi nekk département yëpp lañ jël def leen chargé de mission te mu doon ay nomination yoo xamante ne dafay mel lu lu lu lu automatique. par rapport da nga occupé poste bi c'est-à-dire boobu ñu ngi lay jël xooluñu ndax mun nga ko occupé sa taxawaay mais danga nekk poste sàngam moo tax ñu jox la lii. Mm. loolu day jur faay. parce que damaa tabb njàpp parce que moom journaliste si kese kese laa ci xool xooluma ndax aay na wala aay problème mën naa am foofu. Mm-hmm. loolu mooy première euh, li ma gis ne mën na jur jeexi jaaxal ci mbir moom am beneen mbir bi am Clédor souligné na ko moo jëm ci euh, mbirum chargé de mission man dama bokk si ñi nga ne sax man gëwuma

parce que en tant que journaliste da daan gis njëkki-jékki ñu ne la invité ma benn sama waay ñooy lan la ñooy de mission la présidence. yàgg nañu leen gis di leen invité. kenn xamu kenn gisu xamul lan la ñuy conseil kenn xamu leen donc yooyu pour man c'est des choses yoo xamante ne. Mm-hmm. ndaw ñi am na ñu mm-hmm. bëri si ndaw ñi xam nga lan doon dimbali Clédor. Mm-hmm. am na booy njëf chargé de mission yu bëri ñu dem jàngi. gis nga bu fekkee da ngay da nga am ambition ci àddina njàng moo jiitu lépp duñ la def charge de mission nga dem di am ay salaire déedéet déedéet. Mm. ñu bari si ñoom. yore j'ai donné ce conseil à Pape Abdoulaye Touré. Mm. man suma ma nekkoon place am bi ñuy faral li may njëkk ñaan mooy bourse. man suma ma nekkoon place Pape Abdoulaye Touré bi ñuy mm. faral li may njëkk ñaan mooy bourse. ah il est chargé de mission. non non nekk ko dégguma ko nekk ko. mais li may njëkk ñaan mooy bourse. dans la vie il faut être ambitieux. bourse boobu boo ko amee di nga dem jàngi. deux ans lañ la may trois ans après tu reviens diplômé. ci kaw.

mais bu ñu jëlee ci logique bi ñu nekkoon ak euh, li fi Macky doon def rek ne chargé de mission la woon jël nañu yóbbuwaat leen ak lépp lu ñu mën a def ci biir texte bi lu ñu ci mën a bind. Mm-hmm. man du ma am gis-gis boobu parce que dama jàpp ne euh, chargé de mission yu bëri dañ ko fi daan xeex ci Macky dañu continuer di ko xeex fii. Euh, Parce que ni man ma le ci leen yooyu ma dolli ci leen. balaa ngay euh, dolli ma wax la ma lire le tweet bi nga xam fait euh, def à non mais c'est l'information C'est l'information. C'est l'information est ils sont des acteurs politiques aussi. des dizaines de recrutements de chargés de mission à la présidence de la République à la veille des élections législatives pendant que les jeunes non encartés n'ont plus d'espoir et nombre d'entre eux. Non, pour seul projet que le Barça ou le hmm. Barça. On constate hmm. implacable les mauvaises pratiques népotistes persistent. Aluntine avait parlé d'état pastéfiant, mais la réalité dépasse cette formule. C'est le système orni qui perdure. En fin de compte, tout change pour que rien ne change terrible. ces euh, nominations. sauf que vois le français népotisme moi, je dis sa mbokk def position.

est-ce que vous savez pourquoi Dakar en 19 mairies d'arrondissement parce que le parti socialiste bi un parti au pouvoir 19 qui qui la mon cellule à Dakar mhm. cellule bu là ñu daggal ko mairie d'arrondissement coordination coordination 19 coordinations à Dakar mhm. c'était des coordinations coordination yoyou, nous ñu découper ci lañ ko transposés transposer ko mairie d'arrondissement. Mhm. coordination Grand Dakar nous def ko mairie d'arrondissement. coordination Dakar Plateau nous def ko mairie d'arrondissement Etc, etc. on a 19 communes d'arrondissement qui ne se justifient pas parce que ça a été calqué mhm. sur les coordinations du parti socialiste Nous avons histoire l'histoire. Nous, nous ñun combattre mhm. dans l'opposition donc Taïdi, si nous ñu calquer aussi au niveau départemental nommé ci ay chargé de mission aussi ça me rappelle les mêmes faits je crois que nous avons opérer de véritables ruptures parce qu'un parti au pouvoir a un fond ay fonds politique mm. présidence a un fonds politique primature a un fonds politique donc nous avons des leviers des directeurs qui ont ressources ministres des ressources des députés salaire ça court toujours je crois que soxlawuñu 45 chargés de mission yoo xam ku ci 1 million ngay am coow li top la ni cour ñu ñu commencé di interroger sur l'orientation donc loolu je crois que c'est pas une bonne chose mu ngi nii euh, Thierno Alassane mu ngi wax suba keneen mu wax te mënoo dindi seen wax parce que aussi à la veille d'élection, le, ça, nous prive d'arguments, nous qui défendons le projet. Mm -hmm. par rapport à euh, ces nominations Oui, c'est politique, rien d'autre. Il n'y a pas justificatif, il n'y a pas de politique. politique là. Chargé de mission dans un état sérieux, se poste que nous éminemment politique là. Mm. Li anut ak idéal projet bi.